Arrivé à Tilaberi en partance pour Kandaji où il a procédé ce jour au lancement officiel des travaux de construction de la ligne haute tension de transport d'énergie kandaji niamé le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, à la tête d'une forte délégation, a été accueilli par le gouverneur de la région de Tilaberi Yahi Aruna avant de passer en revue un détachement des forces armées nigériennes qui lui rendait les honneurs. votre excellence salué par le président de l'Assemblée nationale Saïno Oumarou et les membres du gouvernement. C'est un accueil de grand jour empreint de chaleur qui a été réservé au président de la République Mohamed Bazoum et à sa délégation par la population de la région du fleuve. Sorti massivement aux côtés des députés nationaux au titre de la région de Tilaberi, des autorités administratives et coutumières, des responsables des forces de défense et de sécurité, des directeurs régionaux et des différentes couches professionnelles de la région pour lui souhaiter la chaleureuse bienvenue. Une mobilisation qui témoigne la reconnaissance de l'estime du président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, à l'endroit de cette population de la région de Tilabir.